le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes à Niamey. Monsieur, dame, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou au micro Nefis Adam Sirfou. Rappelons que le réseau des radios partenaires du Studio Kalangou s'est élargi à la radio Sugi Dayoru, Alher de Benkilare et Challenge FM 96.6 à Niamey, soit un total de 34 radios sur l'ensemble du Niger. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Nous parlerons santé dans le forum de ce soir. Le NOMA, une maladie qui s'attaque au visage des personnes affectées. Elle atteint principalement la bouche, les joues, le nez et remonte parfois jusqu'aux yeux. Comment les spécialistes de la santé définissent-ils le NOMA Quelles sont les causes et les conséquences de cette maladie Qui peut contracter le NOMA Cette maladie peut-elle être soignée Quelle est la situation actuelle de cette maladie au Niger Ce sont à ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de répondre avec nos invités présents ici dans ce studio. Il s'agit de Dr Ousseini Issa. Il est responsable de la clinique Nouma. Bonsoir à vous. Nous recevons également docteur Baye, il est chirurgien dentiste. Bonsoir. Bonsoir. chers invités, merci de nous avoir euh, honorés de votre présence. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez nous présenter les structures que vous représentez. Je commence par vous, docteur Baye. Euh, merci. Moi, c'est docteur Assouman Baye, le coordinateur adjoint du programme national de lutte contre les maladies bucco et le nom. En fait, le programme, c'est un service connexe et rattaché à la direction des études de la prévention du ministère de la Santé public Et c'est une direction qui a été créée, un service qui a été créé en 1999 pour lutter contre le Noma et qui a changé de nom en mars 2011 pour prendre le nom de Programme national de lutte contre les maladies bucco et euh, le Noma. Voilà, en fait, théoriquement, c'est le service qui, qui s'occupe de la de l'élaboration des différentes stratégies pour lutter contre toutes les affections bucco Merci à vous et vous, docteur euh, Ousmane Issa. Oui, c'est bah, c'est docteur Ousmane Hamadi Issa. Mm-hmm. Je, suis, chirurgien et responsable de la clinique Noma euh, à, Niamey, donc au Niger. Et la clinique Noma est une clinique, euh, pas une clinique privée, c'est un hôpital en fait qui prend en charge les patients atteints, de Noma. Et c'est une clinique qui appartient à l'ONG Sachin Noma c'est une ONG allemande euh, présente au Niger depuis 1996, mais qui a été créée en 1994 à rosenbourg en Allemagne, mm. sous la houlette de notre présidente, Madame Winkler Houté. Donc, euh, comme je le disais, l'ONG Ilf est présente au Niger depuis 1996. Et présente euh, dans plusieurs régions du, Niger, comme euh, la région d'Agadez, la région d'Ottawa, Maradi, Dosso, Tilaberi et Niamey. Merci à vous. Et je reste toujours avec vous, docteur euh, Ousmane Issa, pour nous présenter la maladie du Noma, Comment se manifeste-t-elle Comment se présente-t-elle donc en fait, le NOMA c'est une euh, est une maladie, euh, c'est une pathologie acquise. Donc on n'est pas avec le NOMA, ça il faut le savoir pour euh, pour pour différencier le NOMA de d'autres affections bucco c'est une euh, le, le est une maladie, euh, comme, comme je le disais, bucco-dentaire qui commence par une gingivite. C'est une gingivite ulcero nécrosante qui commence au niveau de la, de la bouche. Mais avant cela, il faut dire euh, qu'est-ce qui fait le nouma ou qu'est-ce qui est prédisposé à faire le nouma. Mm. Euh, le nouma est une maladie qui affecte les enfants en général entre, entre 1 et 6 ans. C'est au décours en général euh, d'une. c'est une maladie qui est due à la malnutrition, au manque d'hygiène et au manque d'accès aux, euh, un manque d'accès aux soins. Au décours en général d'une euh, maladie infantile comme la rougeole, la rubéole, euh, le paludisme, et au moment du sevrage de l'allaitement. Voilà, donc euh, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est une multitude de, facteurs qui entraînent le noma. Et quels sont les premiers signes sur un être humain Donc le noma commence au stade du début, c'est une ulcération au niveau de, une, une rougeur au niveau de la, de la gencive. Euh, après, on note une ulcération et euh, une mauvaise haleine au niveau de la bouche. Voilà comment débute le nommage. Docteur euh, Assouman Bay, euh, comme l'a expliqué docteur euh, Issa, et toujours euh, selon l'ONU, la malnutrition qui tue entre 4 et 6 000 bambins nigériens chaque année, un terrain idéal pour le NOMA qui prolifère lorsque les, défenses immunitaires sont au plus bas. Donc, si on comprend, la malnutrition est, l'un des facteurs de, de la prolifération du NOMA. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela en fait, euh, en parlant de malnutrition, ça, veut dire que le système immunitaire de l'enfant est, affaibli. Mm-hmm. Et quand le système immunitaire de l'enfant est affaibli, ça entraîne euh, des ulcérations au niveau de la bouche, notamment au niveau, au niveau de la gencive. Mm-hmm. Donc c'est à part de cette ulcération au niveau de la, gencive que le noma peut proliférer. Et il a précisé qu'il n'a pas, il n'a pas été, jusqu'à présent, il n'a pas été spécifié un germe spécifique pour le noma mais plusieurs facteurs, comme, comme l'a dit docteur, plusieurs facteurs favorisants qui, peuvent entraîner le noma. Effectivement, en 2010, dans certaines parutions, on dit que quand on a fait la superfusion, partout dans le monde où il y a malnutrition, on retrouve le noma. Mais il n'y a pas de cause spécifique pour le noma mmh, spécifique, non. Depuis quelle année le noma a-t-il euh, fait sa, son apparition ici euh, au Niger en fait, bon, je crois que serait difficile de donner une date précise parce que c'est en fait le noma, c'est une maladie, une pathologie qui existait depuis l'Antiquité dans tout le monde, dans le monde entier. Mais certains pays, comme les pays, les pays développés, sont parvenus pas, à combattre, et à éradiquer le noma parce qu'ils sont, ils sont parvenus à vaincre mhm. certains mots comme la malnutrition, euh, la malnutrition et les maladies infantiles, mais surtout ils, ont, ils, se, sont ils se sont permis maintenant de vivre, ils, sont, luttés pour vivre dans un environnement vraiment un environnement pour, idéal pour la santé. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas chez nous parce que dans certains contrées, vous verrez que l'insalubrité est là. Et l'insalubrité, en fait, quand on parle de voilà, c'est quand on parle d'insalubrité, on parle d'hygiène. Mm-hmm. Donc l'hygiène, en parlant d'hygiène, on parlera d'hygiène alors environnementale et corporelle. En parlant d'hygiène corporelle, alors on, on sera, on, va, sans le savoir, on touchera l'hygiène de la bouche. Parce que maintenant, tous ces facteurs, tous les facteurs dont nous avons parlé, si tous ces facteurs sont réunis et que la bouche reste propre, l'hygiène bucco-dentaire est là, la personne ne développera pas, le, nom. Par contre, l'hygiène bucco-dentaire est l'un des facteurs, l'un des facteurs clés de cette maladie le... Euh, cette maladie, le Noma, vous venez de le dire, elle est présente dans presque euh, tous les pays. Mais ici au Niger, comment elle a été euh, découverte Généralement, c'est C'est au stade final de la maladie que les victimes de cette maladie ont été. C'est surtout au stade, au stade final, mhm. c'est-à-dire au stade séculaire que ces enfants ont été, sont plus en vie. Donc c'est ce qui a amené d'abord en 92 certaines ONG en fait, les Blancs, euh, un l'ONG Sentinelle a s'intéressé à ces enfants là Mais sinon, c'est une maladie qui existait bien avant, très, très, très longtemps. docteur Ousmane, euh, le noma, est-ce que c'est une maladie contagieuse elle n'est pas héréditaire, vous le dites, oui, mais est-ce euh, qu'elle Comme je disais, le noma, ce n'est pas, pas une maladie mhm. héréditaire, c'est une maladie acquise. On, donc, on ne naît pas avec le noma. Mhm. C'est une affection, donc c'est une maladie acquise. Et et non contagieuse. Hmm. Donc vous pouvez manger, euh, saluer euh, un patient atteint de Nouma euh, sans problème. Mais malheureusement dans, nos contrées, ce sont des patients qui, sont, qui vivent à marge de la société, qui sont exclus on ne veut pas manger avec eux. Bon, c'est vrai qu'il faut, il suffit de voir euh, les séquelles, euh, la maladie euh, à la phase aiguë. C'est vrai que l'odeur mm-hmm, mm-hmm. fait en sorte qu'ils sont repoussés, on ne veut pas rester avec ah eux. Et en plus, à la phase de séquelles, quand la séquelle est importante, il faut les voir. C'est horrible. Ils, sont, ils ont le visage complètement défiguré avec des, des pertes de substances énormes. Donc, mm-hmm. ils font peur en général et ils sont exclus de, de tout ce qui est, surtout si ce sont des enfants ils ne jouent pas avec leurs leur, euh, compagnons, ils, ne mangent pas avec eux, ils sont vraiment exclus. Mm-hmm. Et on pense très souvent euh, dans nos contrées que c'est une malédiction et euh, ils sont exclus. Mm-hmm. le noma, est-ce comme le disait Dr Bay, effectivement, c'est une pathologie qui existait depuis l'Antiquité. Et elle a existé en Europe, mais avec le développement cette maladie a disparu. Elle a réapparu dans les camps de concentration nazis du fait du traitement qui était euh, administré à, ces prisonniers. Et c'est une maladie qui est mortelle. Et on ne se rend vraiment pas compte, et j'aimerais insister là-dessus. Le NOMA tue dans 80 à 90% des cas. Donc, ça veut dire que les patients que nous voyons avec ces séquelles, c'est seulement 10 à 20%. Ce sont des survivants. En réalité, le NOMA tue 80 à 90% des, patients. Et justement, quelles sont les catégories de personnes euh, que cette maladie touche le plus euh, Comme je le disais, c'est une maladie qui touche en général les enfants entre 1 et 6 ans. Euh, qui vivent dans un, dans un environnement salubre, qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire, qui sont, malnutris et qui n'ont pas un accès correct aux soins. Et, mais aussi, on peut remarquer euh, des cas nouma chez des adultes, actuellement, chez des adultes qui ont une baisse de l'immunité et très souvent, ce sont des patients actuellement séropositifs. Donc, du fait de, la baisse de l'immunité chez les patients séropositifs, ils peuvent contracter le noma, effectivement. Mais en général, ce sont les enfants entre 1 et 6 ans. Ah, Mais les adultes peuvent être atteints quand ils ont une baisse de l'immunité par exemple dans le cas du, VIH-Sida. Merci. Docteur Baye, à la date d'aujourd'hui, on, trouve aussi, on trouve toujours des cas de, de NOMA, de personnes atteintes du NOMA. Euh, qu'est-ce qui explique cette situation Pourquoi, selon vous, le NOMA continue d'infecter les personnes En tout cas, nous, ce que nous, que nous pensons, nous pensons que c'est parce que les effets, en fait, c'est l'effet produit par les ONG et le ministère de la Santé à travers les sensibilisations. Avant, les gens, comme il l'a dit, c'est une maladie qui a un taux de létalité de, 70 à, 80 à 90 Donc les gens, ils pensent que c'est, comme on l'appelle couramment, du jura, c'est-à-dire d'agir, quelque chose comme ça, en fait, mhm, mhm. quelque chose qui n'est pas une, maladie qu'on peut traiter. Donc, c'est une, malédiction. C'est une malédiction. En fait, c'est que les malades réellement, ils périssent dans l'ombre sans qu'on s'en rende compte. Et même si, même les 10%, les chanceux là, comme, comme ils l'appellent, les 10% qui parviennent à survivre, eux aussi, ils sont cachés. Mm. Or, maintenant, avec les sensibilisations, on continue, n'est-ce pas Les gens ont plus prendre plus conscience maintenant de la maladie, au début, à la phase aiguë et à la phase séquelle. Ça à dire que nous, nous pensons que c'est plutôt un aspect positif, Maintenant, le fait que maintenant on continue à les, recenser, parce que ça veut dire que de plus en plus, et le ministère des médias et les ONG sont vraiment en train de travailler, d'informer la population. Et quand, la population est informée, il y aura une affluence maintenant. Dès que dès les premiers signes, il y aura une affluence vers les centres de santé. Oui, et, quelle est la situation actuelle de cette maladie Est-ce qu'il euh, euh, y a une régression ou bien le taux, le taux est en hausse des personnes infectées euh, oh, le taux, on ne peut pas dire que le taux est en hausse, comme on ne peut pas aussi parler de régression. Mais tu sais que je disais tout à l'heure, nous parlerons plutôt d'effets, n'est-ce pas, des, des ONG, du ministère de la Santé et des médias pour pouvoir informer la population. Parce que quelque chose, qui c'est c'est une maladie où on ne peut pas cerner avec certitude le nombre de cas par an. À partir du moment où nous avons dit que c'est un taux de létalité de 80 à 90%. Et généralement, c'est quoi C'est que ces 80 à 90% de décès surviennent sans généralement même c'est pas dans un centre de santé. Ça survient à la maison. Ah, donc on ne peut pas tous ces gens-là ne seront pas comptabilisés on ne parvient à comptabiliser en réalité même les, les, les recensements qu'on a à faire. On a eu à faire des recensements en 93 en 2007. Ces recensements en réalité non recensés que les cas séculaires. Et si on qui, parle de cas séculaires, ça veut dire c'est seulement les survivants. C'est seulement ces dernières années, avec la présence des ONG un peu partout dans le Niger, qu'on est en train maintenant de recenser les, les à, la, phase aiguë. Euh, dans quelle région spécifiquement cette maladie euh, elle est la plus présente la dernière enquête, euh, la, dernière enquête faite par l'OMS a, démontré que dans tous les départements du Niger, dans tout le Niger, il y a le Noma. Mais seulement, il, y a il y a certaines régions, il y a trois régions qui sont les plus touchées, notamment la région de Zander, la région de Maradi et la région de Tawa. Et ceci peut, s'expliquer par la population, la concentration de la population. Et surtout si vous essayez, je disais en introduction que quand vous, quand vous superposez un peu, euh, vous, dessinez une carte, vous superposez là où les régions atteintes de nomades, là où il y a la malnutrition, donc ça, vous, vous allez comprendre pourquoi. Dans ces régions, effectivement, nous, nous trouvons le, plus de cas de noma. Docteur Ousmane, je reviens vers vous. Quelles peuvent euh, être les conséquences du noma sur une personne euh, atteinte euh, Merci. comme on l'a dit, c'est le noma touche, commence au niveau de la bouche. Mm. Et quand les patients survivent, en général, ils survivent avec, des séquelles. Les séquelles. Ces séquelles peuvent être minimes ou très importantes. Parce que euh, au niveau de la bouche, tous les tissus peuvent être atteints, à commencer par la muqueuse, donc la, la couche rouge qui tapisse l'intérieur de la bouche, les os au niveau de la bouche, les muscles, et à l'extérieur la peau. C'est donc ce qu'elle donc les pertes de substance que ça entraîne peuvent être minimes, comme je le disais, ou très importantes, de telle manière que le patient peut être complètement défiguré, il n'arrive pas à s'alimenter, il peut perdre la vue. C'est, est moi du terme, on peut retrouver, on peut avoir des patients qui sont vraiment des monstres vivants honnêtement. Et c'est ce qu'elles peuvent être euh, très, très, très importantes et très invalidantes. Euh, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie même sur un être humain Est-ce qu'on peut la, euh, prévenir la, la, Oui, on peut prévenir le nouma. Ben, pour prévenir le nouma, il faut faire en sorte que les patients déjà ne soient pas malnutris, donc qu'ils aient assez à manger, qu'ils aient une, une bonne hygiène environnementales et corporelles, donc euh, notamment bucco dentaire mm. euh, qu'ils aient qu'ils soient vaccinés contre euh, toutes les maladies infantiles, donc euh, comme le paludisme, comme, comme la rougeole, comme la rubéole, mm. qu'ils aient accès aux soins donc euh, qu'il y ait assez de centres de santé à côté des CSI ou des cases de santé. Mm. Et aussi, euh, bah, Essentiellement, ce sont ces, euh, facteurs qui peuvent euh, mhm. prévenir le Noma. Docteur Ousmane, vous êtes euh, le responsable de la clinique Noma. Au niveau de votre clinique, comment se fait la prise en charge de cette maladie ah, Merci. Comme je vous ai dit, l'ONG Faction intervient dans plusieurs régions du, pays. En fait, ce qui se passe au niveau de, des régions, on a, on a des, ce qu'on appelle des maisons d'enfants, notamment à Agadez, euh, Tawa, Maradi et, Niamey. le, la maison d'enfants de Niamey couvre la région de Tilaberi et de, de Dosso et la communauté urbaine. Mhm. Ces maisons d'enfants, dans ces maisons d'enfants, on, on, s'occupe de rechercher les patients, euh, de les prendre en charge initialement, donc le traitement médical, on les vaccine. Mhm. Et en retour, à la fin des soins, on, on peut, on fait ce qu'on appelle de, de la réinsertion sociale. Mais une fois ces patients traités au niveau des maisons d'enfants, on les réfère à, la clinique Noma. Et la clinique dispose d'un bloc opératoire qui a deux salles. Euh, au niveau de, de, ces, de, ce bloc, on procède à, à toutes sortes d'interventions chirurgicales en vue de, de, réparer les séquelles euh, qu'ont les patients. Oui, et à quel stade de la maladie euh, faites-vous recours à la chirurgie La chirurgie est. on fait recours à la chirurgie à deux niveaux. Soit à la phase aiguë, quand la, la perte, quand les, la nécrose, donc les tissus atteints sont très importants, on, on peut on peut prendre en charge le patient, nettoyer tout ce qu'il a comme, comme tissu mort au niveau du visage soit euh, au stade de séquelles. mais c'est essentiellement au stade de séquelles qu'on a recours le plus à la chirurgie pour faire de la réparation, ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Mhm. Merci à vous, docteur Bay. À part la clinique euh, NOMA, est-ce qu'il existe d'autres euh, organisations qui prennent en charge le NOMA ici au Niger oh, Oui, c'est ce que je disais. En fait, il y a plusieurs ONG qui interviennent dans le cadre de NOMA, notamment en fait en 92. d'avoir la première ONG à s'installer au Niger, c'est l'ONG Sentinelle qui est basé à, Zender et qui continue toujours à faire ses interventions. Il y a l'ONG Campaner qui est basé à, à Difa et qui continue aussi à faire, à, faire maintenant. Plus de ça, il y avait eu d'autres ONG qui, ont travaillé mais qui ont disparu. Maintenant, c'est, je dirais que c'est juste les trois ONG. Hmm. L'ONG Sentinelle, Campaner et l'ONG Faction qui sont en train de faire l'essentiel du travail par rapport à la prise en charge de ces enfants. Mm. Est-ce que vous pensez que ces, ONG, ces centres de santé disposent de médecins spécialisés euh, dans le domaine du Noma Assez de médecins oui, en fait, bon, peut-être peut que le docteur Issa vous en dira plus par rapport à cette question parce qu'en fait, euh, parce que lui, il travaille avec. Euh, généralement, c'est comment ces ONG interviennent en, dehors de l'ONG Faction Noma qui a un spécialiste qui travaille, qui est un spécialiste en chirurgie en réparation qui est, qui est là, docteur Issa. Les autres font, font surtout euh, font surtout appel à des à des expatriés, hmm. c'est-à-dire à des missions chirurgicales qui viennent périodiquement. C'est aussi le cas pour l'ONGL Factionnement. Mais l'ONGL Factionnement, lui, il a un chirurgien sur place. Mais en plus de ça, il fait aussi appel. Voilà, généralement, on fait surtout appel à des Australiens, des Allemands, puis des Autrichiens. Voilà. Au niveau du programme, euh, est-ce que vous, menez des sensibilisations, des actions dans toutes les régions ou bien juste à Niamey pour euh, éradiquer cette maladie <coughs> Les sensibilisations, je dirais que nous le faisons, en fait pas, je, nous, le, nous le faisons dans tout le pays, dans tout le pays, dans toutes les régions, dans tous les districts et pratiquement, je dirais même dans la quasi-totalité des villages. Mm. Nous avons nous adoptons plusieurs stratégies. D'abord, la formation des relais communautaires que nous utilisons. Ces relais-là sont censés mener des séances de sensibilisation au, niveau des puits, des marchés, au niveau des, euh, à certaines occasions. Nous avons aussi les, radios communautaires que de temps en temps auxquelles nous faisons appel pour pouvoir faire passer le message. Et nous avons intégré une nouvelle stratégie qui consisterait, à intégrer les marabouts les, les écoles coraniques, les marabouts, pour les informer, pour les, pour les responsabiliser, informer aussi les leaders d'opinion et, et, surtout les, les charlatans, parce que les charlatans aussi un rôle à jouer. Parce que généralement, comme je le disais, mhm. on pense que c'est un sort qu'on a lancé à l'enfant. Donc, aussi or si maintenant tous ces charlatans sont informés de la maladie, c'est-à-dire de ne pas trop traîner. Parce qu'en fait, depuis qu'on a, on a oublié euh, une des caractéristiques de cette maladie, c'est-à-dire mhm. cette maladie, en plus de son taux de létalité, c'est sa rapidité d'action. C'est-à-dire, la personne ne va pas venir vous dire là le nomade depuis des mois. Non, non. C'est en une semaine, tout au plus dix jours, deux semaines, il a fini son travail. Soit il défigure la personne, soit, soit il, a fini avec la personne. En fait, il amène la personne à un tel comme j'ai l'habitude de le dire. C'est une rapidité d'action. Donc, il ne faut pas que les charlatans traînent avec le patient. Dès qu'ils reçoivent, comme ils ont déjà une formation, donc il faut directement avancer dans les centres de santé. Mm-hmm. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce forum. Docteur euh, Ousmane, euh, je reviens vers vous pour parler euh, des opérations chirurgicales. depuis que ces opérations ont commencé au Niger, ici, au niveau de votre clinique, vous êtes à combien de patients déjà opérés mmh, Merci. en fait, la, clinique MOMA de l'ONG a été, a été construite donc, en 2002. Donc, au départ, comme le disait docteur Baye, l'essentiel des activités qui, se déroulaient au niveau de la clinique euh, était basé sur des missions chirurgicales humanitaires qui étaient organisées de manière périodique. Donc ce sont des équipes autrichiennes, en tout cas au niveau de l'ONG ce sont des équipes autrichiennes et allemandes qui, viennent prendre en charge ces cas de, de Nouma, donc, et notamment de ce qu'est de Nouma au niveau de la clinique. Mais depuis, euh, depuis trois ans, en tant que spécialiste, j'ai été engagé par euh, l'ONG Hillsatch Noma, de telle manière qu'on a une équipe actuellement depuis trois ans, une équipe locale mm-hmm. qui, en dehors de ses missions humanitaires euh, organisées deux à trois fois par an, prend en charge aussi des cas de, de ces cas de Noma au niveau de la clinique. Euh, le nombre peut varier, le nombre de patients pris en charge donc peut varier en fonction du nombre de, euh, missions organisées par an et du, nombre de cas pris en charge par l'équipe locale. Euh, par exemple, je peux dire que depuis deux ans, on a eu à, à pratiquer près de 300 interventions au niveau de la clinique Noma tout en sachant que euh, certains patients sont, sont, sont opérés euh, plusieurs fois. Voilà. Certains patients donc nécessitent euh, plusieurs, plusieurs interventions pour, pour arriver à la fin du traitement. Ces interventions, elles se font par jour, par semaine En général, quand c'est les missions, comme je disais, on, fait des, des missions humanitaires. Quand c'est les missions, ces missions se déroulent sur une à deux semaines. Et à chaque mission, on opère entre entre 20 et 50 cas. Euh, sinon, au niveau, euh, par l'équipe locale, on a en général 5 euh, à 7 patients en fonction du nombre de, cas par, mois. Vous recevez également des cas des régions ou bien c'est juste des personnes atteintes ici à Niamey Non, comme je vous ai dit, la clinique, au niveau de la clinique, euh, on centralise la prise en charge chirurgicale des cas recensés dans toutes les régions, mhm. dans toutes les régions où nous intervenons. Et en plus aussi, certains cas qui, qui viennent d'autres d'autres pays limitrophes comme le Nigeria, le Mali ou le Burkina Faso. Et ces, ces opérations chirurgicales, est-ce qu'elles sont faites dans les régions également, dans les hôpitaux Non, nous intervenons. Euh, à ma connaissance, peut-être docteur Bay vous, vous donnera des précisions, mais à, ma connaissance, il n'y a aucune autre structure au niveau national en dehors euh, de, l'hôpital Cure, ou euh, avec euh, un hôpital avec lequel nous collaborons, en dehors de l'hôpital Cure, oui, il n'y a que la clinique Noma où ces, interventions sont pratiquées. Oui, docteur Bay, vous pouvez ajouter. Je confirme ce qu'a dit le docteur Issa. Effectivement, en dehors de, de l'hôpital Cure et la clinique Magia, il n'y a pas où, théoriquement, on prend la prise en charge de ces séquelles de nos. Mm. Donc, euh, si on comprend, euh, tous les patients sont référés ici à Niamey pour les, interventions. Est-ce que vous ne songez pas à, mener des, médecins spécialisés dans les centres, des, les hôpitaux pour prendre en charge les interventions En fait, bon, oui, je crois que déjà dans, dans la programmation du ministère de la Santé, effectivement, ça fait partie d'envoyer des médecins spécialisés. Mais en fait, c'est pas si, si, c'est, si ces patients ne sont pas pris en charge dans les autres structures, c'est surtout dû à, à un fait réel qui est là, ou quelque chose de pratique. Le, ces ONG, quand ils prennent en charge, ils prennent en charge gratuitement. La mm. prise en charge est gratuite. C'est-à-dire gratuite entendu dans son sens le plus large. Mieux, comme il a dit, même après la prise en charge, on parle aussi de réinsertion sociale. Alors que dans les structures, dans les structures euh, classiques auxquelles on est habitué, bon, la prise en charge non seulement n'est pas gratuite, même si elle est gratuite, vous aurez au moins à payer les produits de l'intervention. Or, euh, une intervention de Noma, ça coûte extrêmement cher. Et comme il l'a dit, par exemple, pour un seul patient, il peut passer cinq fois au bloc, peut-être même plus. Une intervention peut coûter jusqu'à combien je, je, je laisserai l'ORG vraiment se, prononcer par rapport à ça, mais c'est que c'est quelque chose qui, est de costaud. Docteur euh, Ousmane, cette prise en charge, comme on l'a dit, elle est gratuite, totalement gratuite. Et donc, euh, en termes de prix, une intervention peut coûter jusqu'à combien euh, Merci. effectivement, notre, notre prise en charge, elle est totalement gratuite. Comme je l'ai dit, on se déplace, on fait de la recherche, on recherche les patients chez eux, on les prend, on les amène, on les met en condition de l'intervention. Donc, par d'abord, il faut commencer par les nourrir correctement, leur administrer des soins locaux, donc euh, leur donner des antibiotiques, les acheminer à Niamey. Il faut savoir que euh, avant l'intervention, euh, avant, ces dernières années, ces ONG prenaient en charge les patients en Europe. Mmh. Il faut imaginer ces patients étaient amenés en Europe où ils sont pris en charge. Ils restaient plusieurs mois et souvent le retour était difficile. La réinsertion au niveau de leur famille était très difficile. C'est ces dernières années avec des structures comme la, la, clinique Nouma que la prise en charge a commencé à être faite sur place parce qu'elle revient moins chère. Il faut noter aussi qu'une intervention sur le Nouma peut durer 6 à 12 heures de temps d'affilée, une seule intervention. Mm. C'est-à-dire sur un patient, on peut passer toute la journée, mm. de 8 heures à 18 heures ou à 20 heures. Mm. Donc vous imaginez en termes de, produits anesthésiques, en termes de... Voilà. Et donc en termes de prix, il faut compter euh, sur une intervention très longue. Il y a des interventions qui sont qui durent moins longtemps hein, quand les pertes de sont, sont minimes. Mais en termes de coût, il faut compter euh, Classiquement, approximativement, c'est plus d'un million de francs par, intervention. Quel est alors le taux de réussite de vos opérations En termes de taux de réussite, je ne parlerai pas de taux de réussite parce que je dirais plutôt de résultats que nous obtenons. Parce que ça dépend. Quand la perte de substance est minime, oui, c'est des interventions assez faciles. Mais il faut voir à quel point ces patients sont défigurés. Et réellement, euh, le résultat auquel on, on parvient rend un visage humain à ses patients. Donc, euh, la réussite, je dirais, dépendra surtout de, la satisfaction du, patient et de sa famille. Mais en, ces termes, honnêtement, je peux dire qu'on rend, le sourire à ses patients et à leur famille. Ces patients, une fois après l'intervention, est-ce qu'ils peuvent se remettre euh, complètement Oui, complètement. Complètement. Quand, après, euh, quand bah, au stade, à la phase de début, quand il suffit de, de nourrir correctement le patient, du lui administrer des antibiotiques et tout va bien. Et, et quand c'est au stade de séquelles, après ces interventions, oui, l'individu peut retrouver ses fonctions de mastication, il peut avoir un visage humain, on peut le regarder. Euh, et, vivre normalement dans, dans, sa famille et dans la société. En combien, combien de temps il lui faudra pour vraiment euh, se remettre Sur des, interventions qui sont faites euh, sur des patients qui nécessitent une, seule intervention, oui, après trois semaines à un mois de, traitement, il peut rejoindre, il peut rejoindre pardon, sa, famille. Mhm. Mais certains patients, certains patients, il faut plusieurs interventions. Comme l'a dit Dr Bay, oh, ils peuvent passer au bloc 2, 3, 4, parfois 5 fois. Et en général, on les garde au niveau de, de, nos structures euh, ou, à la, ou à la clinique ou aux maisons d'enfants, où on les fait rejoindre leur, euh, leur, euh, leur fait rejoindre leur famille et on les récupère pour une intervention suivante et la prise en charge peut durer plusieurs années effectivement. Il y a des patients qu'on suit depuis deux à trois ans et on n'a pas encore fini leur prise en charge. Mhm. Docteur Bay, euh, sur certains patients, comme euh, vous venez de le dire, il, faut, il faudrait une, deux, voire cinq interventions. Qu'est-ce qui explique euh, cela C'est l'étendue. L'étendue du dégât causé par le moment, C'est mhm. ce qui nécessite hein, le nombre d'interventions. C'est-à-dire si c'est, comme il a dit, la perte de substance, est minime effectivement, ça ne peut pas nécessiter plusieurs interventions. Mais si la perte de sens en gros plusieurs régions, notamment le nez, les yeux, le, en fait, presque la moitié du visage, alors là, il va falloir aller étape par étape. Comment éradiquer totalement cette euh, maladie ici au Niger Comment finir En fait, pour finir avec la maladie, je crois que c'est c'est de, continuer dans la même lancée, que le ministère de la Santé continue de la même lancée avec les ONG, la collaboration, de continuer leur collaboration avec les ONG, et de, que les médias nous appuient et maintenant que les, les autres ONG intervenant sur les enfants prennent conscience, du, du taux de létalité et surtout du dégât causé par le nomad au niveau pour pouvoir lutter contre la, maladie. Mm. Et je finirai par dire que cet appel, je, on en viendra à l'appel. Je reviens vers vous, docteur Ousmane. Est-ce que vous avez, à la date d'aujourd'hui, vous avez eu enregistré des décès, des cas de décès de personnes atteintes euh, du loma oui, bien sûr. <clears throat> Comme on a dit, 80 à 90 de, de, mortalité. Donc il y a des patients qui décèdent euh, avant d'arriver. Et il y a des patients qui décèdent lors de leur prise en charge avant qu'on intervienne. Euh, mais en général, quand c'est euh, au stade de séquelles, euh, la prise en charge au, moment de la, de la prise en charge chirurgicale ou après on n'a pas enregistré jusque là de décès mais c'est vraiment à, la phase de début à la phase aiguë oui lors de notre lors de la prise en charge oui on a eu à noter des cas de décès mhm. c'est vraiment une maladie très morte. On, ne s'en rend vraiment pas compte à quel point le Nouma tue, le Nouma est mortel. Mhm. Euh, mais malheureusement, euh, les gens me connaissent euh, cette maladie. Mhm. Et donc, vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment en finir avec, en finir avec cette maladie ici au Niger Ça, c'est. Honnêtement, madame, il faut voir ses patients. Quand vous les voyez, vous comprendrez un peu peut-être euh, la portée du, du, problème et du dégât. Le Nouma se vit vraiment de manière endémique au Niger. Et il faut savoir que tant qu'il y aura la pauvreté, tant qu'il y aura la malnutrition, tant que les, les, populations n'auront pas un accès suffisant aux, soins, donc aux structures sanitaires, le nouma va persister. Mhm. Donc la seule manière d'en finir avec le nouma, c'est euh, d'éradiquer la pauvreté, mhm. c'est d'avoir euh, d'avoir euh, un environnement euh, un environnement sain, avoir accès et que les populations aient accès aux, soins convenablement. Pour revenir un peu sur la question d'après l'intervention, la réinsertion, même comment elle se fait des personnes euh, qui ont subi l'intervention. Effectivement, euh, au niveau de l'ONG Health Action, nous, faisons de la réinsertion sociale. Comme je vous l'ai dit, eh, l'essentiel des patients atteints sont des enfants. Donc, euh, après leur prise en charge chirurgicale, ces enfants, pour beaucoup, on essaie de les scolariser. Donc, l'ONG scolarise des enfants dans les régions. Quand ils sont un peu plus grands, puisqu'on voit des patients euh, assez âgés, ils ont vécu jusqu'à un certain âge avec leur maladie. Mhm. Pour cela, si on n'arrive pas à les scolariser, on, on, les inscrit dans, dans, des écoles où ils peuvent apprendre un métier. Mhm. Euh, on a eu à former des, des, des, jeunes tailleurs, euh, euh par exemple des, jeunes menuisiers. Euh, des, des, en tout cas des, des métiers avec lesquels ils, pourront survivre. Mhm. Ou quand ils sont un peu plus grands aussi, on, leur donne euh, un fonds pour démarrer euh, un commerce euh, pour, pour subvenir à leurs besoins. Mhm. Docteur Baye, cette réinsertion sociale, est-ce qu'au niveau de votre programme, on prend en charge cette question hmm, Honnêtement, non. Non. Non. On s'appuie toujours sur les ONG pour, pour la réinsertion sociale. Mhm. Hmm. Il n'y a pas de. En fait, ça ne fait pas partie du, ça ne fait pas partie des différentes stratégies que le programme doit mener. Par contre, tout ce que le programme doit faire, c'est surtout c'est par rapport à la, sensibilisation, non par rapport à la à la réinsertion sociale. Mhm. Parce que pour la réinsertion, ça nécessite des coûts. Et le coût, effectivement, le ministère n'en dispose pas. Et à la date d'aujourd'hui, où en êtes-vous euh, par rapport aux sensibilisations dans les différentes localités Bon, vous savez, en fait, c'est une activité malheureusement qu'on, en fait, c'est pas une activité ponctuelle, mais c'est une activité qui est en continu. On le fait depuis 99 et on continue à le faire dans à travers tout le pays. On n'a pas fini, on, continuera à le faire. C'est vrai jusque là, malheureusement, il y a certaines zones qui sont toujours pas ou auxquels on n'a toujours pas eu accès, qui sont toujours pas atteints parce que les, zones qui sont, qui sont jusque-là restées inaccessibles. Mais là nous sommes en train de faire tellement d'efforts pour pouvoir atteindre ces zones-là. Et donc, euh, quel est votre euh, mot de fin, docteur Bay Le mot de fin, je crois que c'est, ça va surtout à, l'endroit de la population. Euh, nous pouvons vivre pauvres mais être pauvre ne veut pas forcément dire vivre dans un, environnement qui n'est pas propre. Mm-hmm. On peut vivre propre, on peut vivre pauvre, mais propre. C'est-à-dire, la pauvreté ne doit pas forcément nous amener à vivre, à vivre dans des conditions qui vont nous attirer des mm-hmm. maladies. Mm-hmm. Autrement dit, la j'appelle la population à un changement de comportement. À commencer d'abord par nous autres agents de santé, ensuite la, population. Merci à vous, docteur Ousmane. Quel est votre mot de la fin euh, Le mot ou les mots, moi que je dirais, c'est d'abord que, les gens, que les populations sachent que le NOMA n'est pas une fatalité. Le NOMA est une maladie comme une autre et on peut guérir le NOMA et pour ceux qui ont des séquelles de Nouma, qu'ils sachent, puisqu'on a des adultes qu'on voit, qu'ils sachent qu'on peut faire quelque chose pour eux. Mhm. Et à l'endroit aussi de la population, j'aimerais vraiment que les médias nous aident à faire connaître le Nouma. Parce que beaucoup de gens se connaissent le Nouma, alors que le Nouma sévit de manière endémique au Niger. Le Nouma est une maladie mortelle, très grave, qui sévit dans notre, dans notre pays. Il faut le savoir. Mhm. Et vraiment à l'endroit de, l'État. Bah, quand je dis l'État, c'est d'abord le programme national de lutte contre le Noma. Franchement, il faut que les activités de sensibilisation soient accentuées. Mm. Il faut que les, gens sachent que le NOMA existe dans notre pays et c'est que c'est que le NOMA. Mm. Et il faut que l'État fasse en sorte de lutter contre la, pauvreté, de mettre à la disposition des populations assez de structures sanitaires, assez de, médicaments pour qu'on puisse éradiquer cette pathologie. Merci à vous. Le NOMA existe bel et bien ici au Niger, mais n'est pas une fatalité et on peut bien guérir de cette maladie. C'est ici que se referme le forum de ce soir. Nous étions avec euh, Dr Ousmane Naïssa, responsable de la clinique Noma, et Dr Baye Souman, Il est chirurgien dentiste. Chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique. Au revoir.